C'est ñooñu ils représentent des dizaines et des dizaines qui sont venus ici c'est Nous mënuñu voter alors que am une carte bu les wax fii nga voter. voter c'est ñun le fichier si nous ko xoolee suñu fichier de de la liste électorale bu nous. jox nit yaa ngi ci biir c'est bu ci bureau de vote n'êtes ñoom nekkuñu la listing c'est ça qui est problématique c'est-à-dire que nous am par dans benn listing il y a 596 596 personnes le bureau de vote Si nous 596 personnes nit fa ak nit et pourtant l'État bi moo ñu ko jox c'est pour ça que je me dis mais comment on peut organiser des élections si conditions humaines. deuxièmement le nombre de personnes qui sont fii ñu ne leen yow bureau 62 nga voter voté mënatoo voté 62 parce que dañu arrêté le bureau à 55 ñëwal jël sa duplicata mu ñëw bu ñu tourner bu xool duplicata am gisuñu duplicata bi moom am carte d'identité bu dañu ko a defal duplicata pour voter entre le bureau 1 et le bureau 55 ñu ne ko sa duplicata defoo amul donc voter c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont xam par exemple une personne depuis 2017 depuis 2017 ñu ci fichier électoral Moi Madame vu y a eu un million de fichiers de cartes d'identité non établis. d'accord ils sont inscrits sur le fichier électoral ils tapez tour Le numéro de vote numéro de vote 33 31 etc ça veut dire elle n'a pas été fabriquée et ça depuis 2017 et dire qu'on a payé 50 milliards pour ça et depuis 2017 les sénégalais sont inscrits sur le fichier électoral mënuñu Ferrebo ba jot pour voter mais quand même c'est du foutage de gueule tout ça. merci